forum du studio Kalamkou. Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du Le forum du studio Le forum du studio forum du il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème lutte contre les mutilations génitales féminines au Niger, défis, difficultés et avancées. Au Niger, la mutilation génitale féminine est pratiquée notamment dans les régions de Niamey et Tilaberi ouest et Difa extrême sud-est. Environ 66% des femmes vivant dans la partie ouest du Niger, proche des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, ont été soumises à cette coutume, à en croire le comité Niger rien sur les pratiques traditionnelles coniprata. En février 2017, des populations de 30 villages de la commune de Makolondi, sud-ouest du Niamey, ont décidé de mettre fin à la mutilation génitale féminine et à l'excision néfaste à la santé et au bien-être de la famille et de l'enfant. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée internationale tolérance zéro à l'égard des mutilations génitale féminine. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre les défis de la lutte contre les mutilations génitales féminines, les difficultés et les avancées enregistrées par le Niger dans le domaine. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Amadou Moumouni Soumaïla, chargé de programme du comité nigérien sur les pratiques traditionnelles à Koniprat. Amadou Moumouni Soumaïla, bonsoir. Bonsoir. Et Madame Traoré Salamatou, sage-femme, membre de l'Association des sages-femmes du Niger, présidente de l'ONG Dimol. Madame Traoré Salamatou, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, on va euh, suivre Hajia Fatimariko, artiste, chanteur, compositeur. Elle est aussi une victime de cette pratique néfaste. On l'écoute. Dans nos coutumes, on pratique l'excision. Je ne peux pas dire que c'est tout le village qui pratique, mais quand même, des deux côtés de mes parents, on pratique l'excision. Du côté de ma maman, c'est dans la région de Saï et côté paternel, c'est au Mali. Vous êtes euh, victime de cette opération. Avez-vous souvenance euh, de ce moment-là C'est un moment qu'on n'oublie jamais. On ne l'oublie jamais. J'avais euh, presque sept ans et je sais que l'exciseuse est venue du Mali. Est-ce que c'est mon père qui l'a appelé pour venir nous exciser est-ce que c'est nos mamans qui ont demandé qu'on nous excise Je ne sais pas. Est-ce que vous savez déjà ce que ça signifiait l'excision avant son arrivée Non, pas du tout. On ne savait pas. Étiez-vous la seule ou il y avait d'autres filles avec vous En tout cas, c'était toutes les filles de notre concession. Quel euh, instrument cette exciseuse-là a-t-elle utilisé Une lame, oui, une lame de rasoir. En fait, une fille de 7 ans qui ne sait pas ce qu'on est venu lui faire, on l'attrape juste le matin et puis on l'amène, on, lui coupe une partie de son corps. Les premières conséquences, c'est la douleur ressentie. Et puis, euh, à l'âge là, voir couler du sang, c'est vraiment un traumatisme pour une petite fille. Moi, le saignement n'a pas duré, mais parmi mes sœurs, il y a eu euh, celle qui était plus âgée, qui avait eu beaucoup de saignements. Jusqu'au lendemain, elle saignait encore. Après le mariage, l'accouchement, avez-vous rencontré d'autres problèmes plus graves le problème que j'ai rencontré, c'est surtout pendant l'accouchement. Chaque fois que j'ai une grossesse, le travail dure plus longtemps que quelqu'un qui n'a pas été excisé. Que faites-vous pour lutter contre cette pratique dans votre entourage En tout cas, tous ceux qui sont à côté de moi qui pratiquent l'excision, j'essaye toujours d'attirer leur attention que c'est une pratique qui n'est pas bonne pour euh, la fille et je leur explique les problèmes qui peuvent arriver à la fille. À part ça, j'ai eu la chance de faire un film sur ma propre expérience. Je vais souvent dans les villages, je projette le film et puis je discute avec les villageois là-dessus. J'ai souvent des gens qui viennent dire oui, eux aussi ils ont été victimes et voilà eux les problèmes qu'ils ont eus. Donc c'est ce que je fais. Haja Fatimariko, artiste, chanteur, compositeur, elle est aussi victime euh, de cette pratique néfaste euh, que les mutilations génitales féminines. Dans des propos euh, recueillis par Rahilatou Soumana, Madame Traoré Salamotou, quelle réaction après avoir écouté Fatimariko la première réaction, c'est que effectivement, au cours de l'accouchement, elle a eu des difficultés. Plus encore, c'est que l'acte elle était inconsciente parce qu'elle est soumise. C'est pas un acte qu'elle a voulu, puisqu'elle est enfant. Ça a été imposé. Donc c'est une violence qui a été faite à l'endroit de cette petite fille. La deuxième euh, réaction, c'est par rapport aux accouchements. Elle a dit que à chaque accouchement, elle avait des problèmes, elle avait des difficultés. Effectivement, les difficultés, ce sont euh, les complications parfois suite à cette mutilation génitale qui a été faite très jeune sur un organe jeune. elle a eu la chance, elle au moins, d'avoir des enfants parce que le risque qu'il y avait suite aux infections qui peuvent survenir au cours de cette mutilation génitale, la fille a les trompes, les qui remonte et la fille a les trompes bouchées. Et vous voyez ce que ça fait, c'est une stérilité primaire. Elle a eu aussi la chance d'être assistée par des sages-femmes oui, au cours des <laughs> accouchements, eh, elle est dans un grand centre, donc euh, elle a plus de facilité en cas de problème d'avoir euh, des soins d'urgence en matière euh, d'accouchement ou même dans sa vie génitale, c'est-à-dire pendant les menstrues, parce que les petites filles, c'est au cours des menstrues qu'elles ont des difficultés, des douleurs énormes. Et parfois, l'écoulement des menstrues ne s'effectue pas d'une manière convenable et c'est des douleurs à ne, pas en finir. Et c'est là où interviennent parfois les obstétriciens, c'est-à-dire les gynécologues, pour soulager ces douleurs par des gestes euh, chirurgicaux. Et aussi, euh, parfois, je le dis, hein, au cours de l'accouchement, il y a des déchirures complexes et des difficultés terribles à les récupérer. Ah, ah, parfois la fistule rectale. Oui, une déchirure anale et vous voyez ce que ça fait quand la fille elle accouche en brousse, loin d'une formation sanitaire, sans assistance. Et pour récupérer parfois euh, cette déchirure, c'est difficile. Amadou Moumouni Soumaïla, c'est quoi la mutilation génitale féminine La mutilation génitale féminine, c'est l'ablation partielle ou totale des organes génitaux de la, de la jeune fille. Par rapport à ça, nous pouvons rencontrer quatre types de de mutilation génitale féminine. Hmm. le type 1, qui consiste à l'ablation partielle, c'est juste on effleure le clitoris. Le type 2, c'est l'ablation totale des petites lèvres du clitoris, des petites lèvres, parfois aussi une partie des grandes lèvres. Le type 3, c'est ça l'infibulation. Heureusement, chez nous, il n'y a pas ça. Parce que là, on enlève euh, le, le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, et on coud encore. Maintenant, quand la femme a une grossesse, quand elle va accoucher, il va falloir des coups pour qu'elle accouche et ensuite on coud encore. Heureusement, chez nous, on ne rencontre pas cette, euh, ce type-là. Et le type 4, c'est ce qu'on appelle les types non classés. C'est-à-dire, euh, c'est les plantes que les femmes euh, mettent dans leur vagin, c'est-à-dire les décoctions, tout ça là. C'est ça, le type 4. C'est vraiment des types non classés nous rencontrons. Y a-t-il une différence entre mutilation génitale féminine et l'excision La mutilation génitale féminine, comme son nom l'indique, bon, ça dépend du milieu. Parce que c'est la même terminologie, c'est-à-dire l'excision égale la mutilation génitale féminine. Deux fois même, selon la définition de l'OMS, c'est mutilation sexuelle féminine. Et ils appellent MSF. Vous voyez, non Mais de toutes les façons, c'est la même ablation qu'on fait à la femme. Donc c'est la, c'est la même définition. Mutilation génitale féminine égale à excision. D'aucuns disent euh, MGF, d'aucuns disent excision. C'est la même chose quoi. Pourquoi euh, les sociétés pratiquent euh, ces mutilations génitales féminines Bon, les raisons sont diverses. Hein. Les raisons sont diverses. Ça dépend d'une ethnie à une autre, ça dépend d'une communauté à une autre. C'est-à-dire il y a des raisons que certaines donnent qui croient que la femme qui est excisée, la femme, elle est pure. Vous voyez, non donc, euh, il n'y a pas de sécrétion vaginale quand la femme est excisée. Il y a d'autres qui disent que la femme, quand elle est excisée, elle a des beaux yeux. C'est la, belle c'est la plus belle femme au monde. Il y a d'autres aussi qui avancent que c'est la religion qui dit de faire. Mais malheureusement, malheureusement, aucun, aucun hadith, aucun hadith de la religion musulmane et de la Bible n'a dit d'exciser. Mais les gens avancent euh, certains hadiths qui a un peu avancé. Là aussi, c'est juste, euh, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est en promenade, il a vu, on est en train d'exciser une petite fille. Bon, comme lui, il ne peut pas dire de faire, il ne peut pas dire de ne pas faire parce qu'il n'y a aucun verset qui lui est venu de dire, d'interdire ça. Mais quand même, en tant qu'humain, la façon dont il a vu, on est en train de le faire, il a dit, bon, même si vous allez faire, il faut juste effleurer. Juste effleurer. Parce qu'il y a des conséquences qui sont, liées à cette, pratique. Donc les gens interprètent mal cette version-là. Mais de toutes les façons, on sait que la religion musulmane est contre tout ce qui atteint l'intégrité physique de l'être humain. Donc, euh, euh, le mutilation génitale féminine porte atteinte à l'intégrité physique de la femme. Donc, l'islam est contre ça. Et les gens le font parce qu'ils ne savent pas les conséquences qui sont liées à cette, à cette pratique-là. Mais deux fois, on a la chance dans nos sensibilisations, quand on rencontre les communautés, on leur fait des projections, la façon dont on fait la mutilation génitale féminine, les outils qu'on utilise pour le faire, et aussi le passage, on leur montre les conséquences qui sont liées à cette pratique-là. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les conséquences qui sont liées. Mais après ça, ils disent, nous, on ne le savait pas. Nous, c'est juste une coutume, on le fait, mais des fois, même quand ça vient, les conséquences, on ne va même pas faire le lien entre la pratique de l'excision et ces conséquences-là. Vous voyez Ça veut dire qu'eux, ils le font, mais comme ce ne sont pas des, des, gens qui connaissent l'anatomie de l'être humain, ils ne font, ils font jamais le lien. Mais heureusement, quand on leur fait la sensibilisation, on leur fait des projections, parce qu'il y a un film qu'on projette, qu'on appelle la Dupéry. À travers ce film-là, ils se rendent compte que vraiment c'est du mal qu'ils sont en train d'infliger à des petites filles. Et les conséquences qui en découlent, Dieu seul sait. Vous voyez Comment était la réaction après avoir suivi le film que vous projetez Je vous avoue que une des, des excuseuses, après avoir visionné ce film-là, elle nous a approchés. Elle a dit, elle s'est jamais mis en tête que c'est comme ça que les, les enfants, cette euh, douleur que les enfants sont en train de sentir, elle ne s'est jamais mis en tête que c'est comme ça que ça se passe. Parce que quand elle fait la pratique, elle, elle se concentre seulement à faire son acte. Mais lécrit là, elle ne s'est jamais préoccupée de ça. Mais à travers le film, elle a dit que vraiment, ça l'a beaucoup touché. C'est le plus souvent avec des matériels souillés. Souillés, des matériels non aseptiques, c'est-à-dire euh, les conditions dans lesquelles ça se fait. Les matériels ne euh, sont pas stérilisés. Donc, euh, ça veut dire que ils peuvent être des matériels qui sont contaminés du moment où, des fois, c'est une cérémonie qu'elles font, c'est-à-dire 5, 10, jusqu'à avoir 20 fillettes ensemble. Donc ça veut dire que si la première fille est atteinte d'une infection quelconque, donc toutes les autres fillettes vont être contaminées. Donc vous voyez les conditions dans lesquelles ça se passe. Donc elles, elles disent que vraiment, elles ne savent pas que c'est comme ça que ça se passe. Mais à partir d'aujourd'hui, vraiment, elles se sont rendues compte qu'elles sont en train de faire du mal à ces petites filles-là. Il y a une euh, au passage qui nous a dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et après un an, quand on était reparti, elle nous a dit que vraiment un grand merci. Parce que maintenant, elle n'a plus de sang dans ses mains. Elle dort tranquille. Parce que des fois, quand elle fait l'excision, elle dort même pas. Jusqu'à ce que la fille se rétablisse. Après d'avoir abandonné, est-ce que certains reprennent Bon, depuis qu'on a, qu'on a commencé la, la, stratégie de la reconversion des exigeuses là où on reconvertit ces exciseuses là parce que des fois elles disent que c'est leur gagne-pain. Donc nous, on leur donne en contrepartie des microcrédits pour qu'elles abandonnent. Mais jusqu'à preuve d'aujourd'hui, on n'a pas eu une exigeuse qui a repris, sauf une. Elle aussi, on dit qu'elle est malade mentale. C'est elle qui nous a causé énormément de problèmes parce que chaque fois, les, les communautés qui font appel à, ces services disent que quand elle fait l'excision, les fillettes sont bien parce qu'elle sait bien le faire. Mais vous voyez, il y a cinq ans de cela, on l'a interpellée en garde à vue. Elle a été en garde à vue. Tout le monde qui l'a vue a dit que, mais cette vieille femme, avec ses mains qui tremblent, comment elle arrive à faire l'excision C'est la seule. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une exciseuse qu'on a reconvertie qui fait des microcrédits, des moyennant une activité génératrice de revenus, qui a repris les couteaux jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la situation de ces mutilations génitales féminines au Niger au jour d'aujourd'hui La situation des mutilations génitales féminines, on peut dire que vraiment avec euh, toutes les actions que eh, l'État, à travers euh, la société civile, notamment le, le CONIPRAT, sont en train de mettre en œuvre dans les communautés là où la pratique se fait. En 98, quand on a fait l'étude, l'étude a révélé 5% du taux national. Mais aujourd'hui, heureusement pour nous, avec ces actions-là, nous sommes arrivés à 2%, selon l'enquête EDSN de 2012. Et nous attendons aussi de voir, parce qu'il y a une étude qui a été faite tout récemment, dont les résultats nous ne sont pas encore parvenus. On attend voir si vraiment de 2%, peut-être on est arrivé à 1%, pourquoi pas même 0, et quelques Vraiment, avec ces actions-là, on a pu réduire significativement le taux de prévalence de la pratique des MGF sur le plan national que dit la loi au sujet des mutilations génitales féminines avant de revenir à la législation, il faut dire que aussi par rapport à la, au taux de prévalence là, même si on est arrivé à 2%, quand même il y a des disparités qui sont là. Il y a des disparités ethniques. Parce que chez les gourmandiers, vous allez voir, on est à 65,8%. Chez les peuls, on, on est à 12%. Donc ça veut dire que, bien qu'on on a un taux national qui est à 2%, mais quand même, il y a des poches dans lesquelles la pratique se fait qui ont un taux vraiment élevé. Donc vraiment, le, combat reste encore à faire. On a beaucoup fait, mais quand même, ça reste, ça reste beaucoup, à reste à faire. beaucoup reste à faire. Que dit la loi au sujet des mutilations génitales féminines Heureusement pour nous, au Niger, on a depuis 2003 la loi numéro 25-2003 qui criminalise la pratique de l'excision à son article 32.1, 32.2 et 32.3. Donc vraiment, tous ces articles-là répriment la pratique de l'excision. Parce que deux fois aussi, vous savez, les communautés, quand elles font les choses, surtout quand c'est lié à la, à la tradition, c'est vraiment complexe. Mais on arrive quand même à leur dire qu'il y a une loi qui est là. Donc euh, si elles n'abandonnent pas, vraiment, nous, on va passer à la vitesse supérieure. Et au passage, il y avait eu, on a eu vraiment des, plaintes qu'on a eu à, à, déposer depuis 2010 on a eu trois plaintes qu'on a déposées et ces pères de famille ont été condamnés avec sursis. Mais bon, comme on a dit, hein, euh, le sursis, c'est juste 20 euh, 000 francs d'amende plus sursis, trois mois euh, avec sursis. Vraiment, c'est pas contraignant. C'est léger. C'est léger, c'est pas contraignant. C'est pas contraignant. Ça veut dire que on fait une ouverture. Donc, même si la personne paye ses 20 000, 20 000, c'est rien pour une communauté qui a vraiment fait cette, cette pratique-là. 20 000, ce n'est rien. Et trois mois avec ceci donc ça veut dire que c'est la prison dehors. Donc euh, vraiment, on est en train de voir avec euh, les, les, magistrats depuis 2014, euh, avec un partenaire là qui est en train de nous, de nous appuyer, pour voir de la mesure du possible comment revoir tous ces articles de, ces, de cette loi-là, pour que la loi soit vraiment contraignante et que la loi soit appliquée strictement, avec fermeté. Comme cela, les autres, quand elles vont voir qu'on a mis en prison les, communautés qui l'ont fait, les autres ne vont jamais le faire. Euh, Madame Traoré, pourquoi les sociétés pratiquent euh, ces mutilations génitales féminines Les raisons sont multiples du fait de l'appartenance ethnique, mais aussi euh, religieuse parce qu'il euh, y a eu une duperie, une tromperie. On leur a dit que c'était religieux alors que ça ne l'était pas. Et ethnique, c'est en fonction des zones de nos populations. Nous avons des populations qui sont parentées à d'autres, telles que euh, les frontières, d'où euh, ce sont les mêmes ethnies entre le Burkina et le Niger, le Mali et le Niger, et surtout la zone euh, du Liptako-Gourma. Pourquoi parce que les peuls, les gourmandiers et même euh, émigrants, c'est-à-dire des populations qui viennent des autres pays tels que les Mossi, ils pratiquent l'excision. Donc, sans savoir pourquoi. Mais quand on pose la question, ils nous disent que c'est ethnique. Ils ont trouvé, c'est une habitude coutumière pour eux. Et que s'ils ne le font pas, parfois les filles ne trouvent pas de mari. Oui, parce que euh, entre coépouses, elles s'insultent quand vous voyez euh, les, zones où il y a une persistance de la pratique, c'est parce que l'information aussi circule au niveau du ménage. D'où la nécessité parfois de faire la mutilation à la petite fille au sein du ménage. Et il y a des divorces aussi. Quand par exemple euh, la femme elle apprend que sa coépouse sait qui elle est, et elle s'en va. Ou des femmes mariées qui ont déjà accouché sont parties faire l'acte mutilatoire. Vous voyez donc, euh, donc, les raisons sont multiples. Hein. Les raisons sont multiples. Madame Traoré Salamotou, quelles sont les conséquences de la mutilation génitale euh, sur euh, la victime La première conséquence, c'est que nous avons les hémorragies. L'acte n'est pas anodin. Il y a des hémorragies, il y a des infections. Après une cicatrisation, il y a les accolements au niveau de la cicatrice. D'où parfois il faut aller faire un acte opératoire ou chirurgical pour restaurer l'appareil euh, dans son état normal. Il y a aussi, suite justement à ces infections ou à cette hémorragie, il y a la mort. Il y a beaucoup de petites filles qui décèdent et qu'on n'amène pas dans les formations sanitaires. Nous avons en plus ce que nous ne comptabilisons pas au niveau des mutilations génitales féminines, la stérilité à long terme. Oui, parce que l'infection, elle est guérie, elle est guérie, mais et, le reste. Nous avons aussi les kéloïdes. Les kéloïdes, c'est les mauvaises cicatrices au niveau de la plaie. Vous voyez, parfois, quand euh, certaines personnes se blessent, la cicatrice fait des boursouflures. Et là, c'est n'est pas bon pour un appareil génital où l'accouchement doit se faire dans un terrain sain ou avec des, tissus souples qui permettent à l'enfant de sortir aisément et là, c'est la vraie complication que rencontrent les femmes qui accouchent en milieu rural et qui ont des difficultés aussi euh, à faire les consultations prénatales. Parce que si on ne fait pas de consultation, on ne peut pas savoir euh, si la fille elle a des problèmes ou pas. Alors, suite à ce phénomène, l'accouchement ne peut pas se passer normalement. Des fois, il y a des déchirures énormes au niveau de l'appareil. Et l'enfant aussi qui décède, il faut le noter. Le travail dure longtemps, l'enfant est enclavé. La fille, elle supporte, parce qu'elle supporte euh, chez nous, même si tu es en train de mourir, on va dire ça va, ça va, ça va. Même si elle se plaint, on, ne tient pas compte. Et c'est là où euh, il y a beaucoup de, complications méconnues. Et une fois, j'ai eu une question, on me dit, mais vous dites que euh, la fistule, l'excision n'est pas une des, des causes de fistule. J'ai dit oui, mais il y a les déchirures qui conduisent à l'incontinence des matières fécales ou bien à la rétention du fœtus au moment de l'accouchement, le travail qui dure plus longtemps. Et c'est, ça crée la fistule parce que l'enfant n'a pas pu se dégager à temps dans les normes. Donc ça fait partie aussi, elle contribue en tout cas à créer des problèmes au niveau euh, des filles là qui sont victimes de fistules euh, génitales. Madame Traoré Salamatou, euh, comment expliquer la persistance de ce phénomène malgré l'existence de tous ces instruments nationaux et internationaux C'est une euh, méconnaissance d'abord de ce que c'est qu'une mutilation génitale féminine. Parce que quand on parle de mutilation génitale féminine, il y a tout acte qui est perpétré sur l'appareil génital de la petite fille ou même de la femme constitue en tout cas un acte mutilatoire. Ce qui veut dire, on a des produits corrosifs que les femmes utilisent, on a des l'excision, comme on le dit, type 4, qui ne rend pas la femme aisée. Par exemple, dans notre pays, il l'a soulevé, ça n'existe pas l'infibulation. Le type 1 est pratiqué, ce qui veut dire la sunna. Le type 2, avec euh, incision des petites lèvres. Mais le type 3, et l'infibulation, il n'y en a pas chez nous. Est-ce que toutes ces mutilations génitales féminines-là peuvent être considérées comme des violences euh, faites à l'égard de l'enfant Absolument, absolument, parce que c'est une atteinte aux droits de la petite fille. Or, quand nous voyons une petite fille, avant, quand on faisait l'acte mutilatoire, c'est-à-dire les mutilations génitales féminines, c'est suivi, c'est suivi d'une formation. L'excision n'est pas prioritaire c'est d'abord l'éducation à la vie sexuelle. Donc, les filles, elles sont isolées. Il y a une vieille grand-mère. Parfois même, l'exciseuse participe à la formation où on, inculque à la petite fille les notions d'hygiène, des menstrues, les notions de comportement d'une femme. Et ça se fait pas à la naissance comme on le fait maintenant. C'est méchant. C'est une violence qui est faite sur les petits enfants, les petites filles. Amadou Moumouni Soumaïla, y a-t-il une avancée notable enregistrée par le Niger en matière de lutte contre euh, les mutilations génitales féminines Bien sûr, il y a une avancée euh, notable. Comme je viens de le dire, on était parti de 5%. On est descendu à 2%. Donc, ça veut dire que les actions que nous sommes en train de mettre en œuvre euh, au niveau des communautés sont en train d'être payantes. Et comme je, je viens de le dire, on attend toujours l'enquête, la dernière enquête voir ce que euh, ça va donner et nous osons espérer que les résultats qui vont sortir de cette enquête vont nous donner vraiment des résultats vraiment trop satisfaisants. Parce que jusqu'à preuve du contraire, comme je viens de, de, le dire dans mon intervention, vraiment les excuses que nous sommes en train de reconvertir, parmi elles, il n'y a aucune qui a repris les couteaux. Donc ça veut dire que si les pratiquants ont pris conscience de la nocivité de cette pratique, je pense bien que aucune, communauté, aucun parent, aucune famille ne va amener ces, fillettes à exciser. Parce que s'il n'y a pas de pratiquants, elles seront obligées de, de sursoir sur ça. Ça veut dire que parmi les 183 exciseuses qu'on a reconverties sur toute l'étendue du territoire, aucune parmi elles n'a repris. Fort heureusement, avec euh, la loi aussi, qui vient encore impacter vraiment euh, les interventions et aussi la résolution qui a été adoptée le 20 décembre 2012, la résolution 67 146, qui vient encore donner du poids à cette loi-là, qui va nous permettre encore de sensibiliser davantage les ethnies, les communautés dans lesquelles la pratique est en train de se faire. Et aujourd'hui, avec euh, l'avènement des nouvelles technologies, l'information passe vite, les sensibilisations, on a toutes les informations sur euh, les, téléphones mobiles et aussi les radios qui sont indispensables, les radios communautaires aujourd'hui, qui font passer les messages que nous, nous portons à la connaissance euh, des communautés dans lesquelles la pratique se fait. Parce que heureusement pour nous au Niger, c'est pas sur toute l'étendue du territoire que la pratique se fait. C'est des poches, c'est des ethnies et nous les connaissons. Donc ça veut dire que quand on intervient, le message va bien passer. Parce que contrairement aux autres pays, là où la pratique, c'est tout le pays qui le fait. le Burkina, prenons le Burkina. Le Burkina, c'est tout le pays, c'est dans toutes les communautés que la pratique se fait. Au Mali, c'est dans toutes les communautés que la, euh, pratique se fait. Au Sénégal aussi, bon, il y a presque toutes les communautés le font aussi. Donc ça veut dire que nous, au Niger, on est béni. Donc ça veut dire que c'est un phénomène sous-régional. C'est un phénomène sous-régional. C'est un phénomène sous-régional. Il y a 29 pays dans lesquels la pratique se fait. 29 pays africains dans, lesquels la pratique se fait. Est-ce que le CONIPRAT a les moyens de sa politique Je peux dire oui, parce que depuis la création de l'ONG CONIPRAT en 1994, bon, comme euh, un comité interministériel depuis 1990, qui a été érigé en ONG, toutes les stratégies qu'on a eu à mettre en œuvre avec l'appui financier des, des, des, partenaires et aussi l'État qui est avec nous, on a quand même euh, réussi les interventions que nous sommes en train de faire à travers des déclarations publiques, à travers euh, les, déclarations publiques d'abandon des, mutilations génitales féminines. Et en 2010 à Tamou, en 2013 à Makolondi, en 2000 cet euh, combat à Terra, c'était en 2004, je, je, pense bien. Vraiment, tous les villages cibles de, nos projets arrivent quand même à comprendre le bien fondé des actions que nous sommes en train de faire et la nocivité de cette pratique-là qui n'a aucun fondement religieux, c'est une pratique que les gens font. On l'a hérité de ça, on le fait, nos parents l'ont fait, nous aussi. Si on ne l'a pas fait, on devient la risée de communauté. Donc c'est vraiment pour cela que les gens sont en train de faire. Mais heureusement que vraiment nous sommes là, la société civile, notamment le CONIPRAT, qui a fait de la lutte contre les mutilations génitales féminines sa spécialité. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous parlez de CONIPRAT, on sait que c'est la lutte contre les mutilations génitales féminines. Il y a d'autres pratiques qui sont là, mais quand même, on a mis beaucoup l'accent sur euh, les mutilations génitales féminines. Et vraiment, ça est en train de payer. Madame Traoré Salamotou, quels sont les défis du Niger en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines Les défis, sont énormes. Je voudrais d'abord euh, rebondir sur ce que vient de dire. Le comité nigérien sur les pratiques traditionnelles ayant un effet néfaste sur la santé de la mère et de l'enfant a vu euh, le jour euh, suite à la conférence sur la maternité sans risque au Niger en 88. Il se trouvait que euh, le Niger a participé à plusieurs rencontres sans pouvoir mettre en place ce comité. Il y a l'avènement de la première femme au niveau euh, du gouvernement, Madame Moumouni Aïssata, que je tiens à féliciter parce que euh, c'est grâce à elle que notre comité a pu être mis en place au Niger, à l'image des autres pays de la sous-région. Donc, le comité a pu rédigé les textes et a vu le jour en 90 finalement. C'était 89, puis euh, en 90, on a pu avoir l'agrément. C'est important. Une des pratiques aussi que, qui lui a échappé, c'est le dangouria. Le dangouria, ça veut dire L'habisé en Sherman. C'est une forme de pratique mutilatoire qui est faite dans toutes les régions du Niger. Oui, il ne faut pas le cacher c'est les barbiers ou bien les, les exciseuses traditionnelles euh, qui disent qu'il y a une malformation ou il y a euh, un dysfonctionnement et on incise. Et c'est quoi cette incision Parfois, euh, c'est fondé parce que certaines petites filles naissent avec un accolement des grandes lèvres. Et il suffit d'amener auprès de la sage-femme qui fait une petite incision qui ne saigne pas souvent pour rétablir. Mais lors des, des mariages des enfants, les petites filles qui sont mariées, elles vont et l'acte sexuel n'est pas possible. Et le mari, parfois, un vieux ou un, qui, qui dépasse son gabarit, comme on le dit, on dit, ah, la pénétration ne se fait pas, donc ça veut dire que elle a le danguria Et ce danguria là on envoie chez le barbier qui prend sa lame et qui essaie d'élargir la vulve de la petite fille et en élargissant, parfois, ça crée des dommages au niveau de la vessie. Et elles ont une fistule vésicale. Donc, euh, je tiens à le préciser. que tout ça, ça rentre dans le cadre des mutilations génitales féminines. Oui, type 4. Type 4. Voilà, c'est le type 4. Alors, les défis, euh, il faut vraiment voir la situation au niveau de la zone du Liptako-Gourma. C'est là où nous avons beaucoup d'information, de sensibilisation, de formation à continuer. Je ne dis pas à faire, mais c'est de continuer. Parce que les populations, elles se renouvellent. Ce sont des, des populations jeunes maintenant. Au moment où les sensibilisations ou les formations ont été menées, ce ne sont plus les mêmes personnes que nous retrouvons. Les changements de mentalité, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Et ça nécessite donc beaucoup de moyens. Est-ce que les ONG associations ont les moyens d'aller au fin fond avec cette situation d'insécurité. Donc ça, c'est un défi. L'autre, c'est par rapport aux agents de santé. Il faut que les agents de santé soient au même niveau que à notre temps, qu'ils fassent la répression. Pour conseiller, sensibiliser. pour sensibiliser, pour conseiller, mais aussi pour sanctionner certaines familles qui persistent. Il a parlé de l'exciseuse qui était euh, en détention. Quand on est allé euh, euh, à la prison civile faire une visite, mais elle m'a dit que même si on la tue, elle va continuer. On était avec le ministre de la Justice, vous voyez. Donc, et les gens ont dit elle est mentale. Elle n'est pas mentale parce que elle, c'est ce qu'elle a opté. Donc, elle n'a pas peur même si elle est vieille, elle je ne sais pas si elle vit encore, mais vraiment, elle vit. Alors, voyez, donc, c'est-à-dire, elle a déjà en tête que c'est, un don qu'elle a eu de ses parents ou de, le pouvoir qu'on ne peut rien contre elle. La menace reste entière parce qu'il y a des exciseuses transfrontalières. Il y en a, après les bonnes récoltes, c'est en ce moment que les, les actes mutilatoires se font. Ou il y a une exciseuse qui vient du pays voisin, qui rentre au Niger, ou bien c'est la nôtre qui va là-bas inconnue. <laughs> Donc, elle, elle, elle fait son, son, marché. Vous voyez Donc, et qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de dénonciation. Les populations, c'est elles qui vont vers ces exciseuses. Donc, ça échappe. Et c'est pour ça, au cours des... Même maintenant, pendant les accouchements, des premiers accouchements, on voit des filles excisées. Donc, on se dit, une fille qui vient accoucher, qui a 13 ans, 14 ans, donc ça fait 14 ans qu'elle a fait, qu'on lui a fait l'acte opératoire. Donc ça continue. ça continue. Et parfois des petites filles de 13 ans. Donc euh, en termes de, de, défis, vraiment, il faut que euh, les communautés s'investissent. Il n'y a pas que la santé. Nous avons, en tout cas, euh, mené beaucoup d'actions au niveau des responsables communautaires, mais au niveau des, des religieux avec lesquels nous collaborons beaucoup, qui il a parlé tout à l'heure que euh, ce n'est pas religieux. Alors, le fait qu'on dise aux religieux de prendre leurs responsabilités et surtout de contribuer à sauver la vie des petites filles en leur expliquant tous les risques qu'il y a, toutes les complications qu'il y a. Alors vraiment, euh, il y a des zones accessibles aux ONG où ça change facilement. Mais il y a des zones où les ONG n'ont pas accès. Et c'est là où il faut aller mener les actions de sensibilisation. Et je disais aussi, avec l'insécurité, c'est un, un grand défi. Soumaïla, est-il facile aujourd'hui d'éradiquer le phénomène mutilation génitale féminine au Niger euh, Je peux dire qu'il est bien facile d'éliminer la pratique de mutilation génitale féminine au Niger. Euh, si on se réfère au taux de prévalence, qui est à 2%, donc euh, je peux dire que euh, avec euh, ce taux-là, si on redouble d'efforts, vraiment on peut éliminer facilement la, mutilation génitale féminine et atteindre la tolérance zéro au MGF d'ici 2030, qui est dédiée aux, aux, objectifs de développement durable. Parce que la chance que nous avons, on n'a pas un fort taux et que les communautés, comme je viens de le dire, les communautés dans lesquelles la pratique se fait, on les connaît. Donc, euh, on peut facilement accéder à ces communautés-là, les sensibiliser et les amener vraiment à prendre conscience du danger de cette pratique-là. Madame Traoré Salamotou, quels sont vos conseils ou recommandations pour réduire au mieux l'ampleur du phénomène de la mutilation génitale féminine au Niger C'est que euh, les partenaires techniques et financiers, les décideurs, euh, en tout cas administratifs, euh, en tout cas les autorités avec lesquelles nous collaborons, c'est-à-dire les ONG internationales, tous ceux qui contribuent vraiment à faire la promotion des droits de l'enfant et de la petite fille, qu'ils s'investissent. Et aussi qu'ils mettent les moyens nécessaires pour la sensibilisation. Les médias, c'est coûteux pour nous. Quand nous allons vers les médias, quand ils viennent vers nous, c'est gratuit. Mais quand nous, nous allons vers eux, c'est beaucoup d'argent. Or, nous avons travaillé avec les radios communautaires. Et c'est aussi euh, l'occasion de, de, remercier toutes les radios et surtout leurs réseaux avec lesquels nous avons beaucoup travaillé dans le cadre des sensibilisations où après les émissions, ils font des rediffusions des messages. Ça, il faut qu'il y ait un changement au niveau, un, un esprit de sacrifice parce que... Madame Traoré Salamatou, sans vous couper, est-ce que les leaders euh, d'opinion tels que les marabouts et les chefs traditionnels peuvent être un grand apport pour la lutte contre les mutilations génitales féminines Ils le sont et ils font partie intégrante aussi bien au niveau de Coniprat qu'au niveau de Dimon. Ah, on collabore bien avec eux et ils, sont, ils, font, ils ont un apport important dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et en lien avec la santé de la reproduction. Ils sont partie intégrante et nous sommes très satisfaits parce que ce sont des gens avec euh, qui on peut euh, véhiculer beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de prêches qu'ils font et, et ça marche. Mais eux aussi, ils rencontrent les mêmes difficultés que nous, les moyens de communication. Et il n'y a que euh, avec un projet qui est fini, euh, Muskoka, où ils ont beaucoup travaillé. Malheureusement, c'est les, les, bonnes choses, ça se termine. <laughs> mais il le faut, il le faut. Il faut que ils soient impliqués, ils s'investissent, mais il faut qu'il y ait aussi les moyens de travailler. Euh, Soumaïla, quels sont vos conseils ou recommandations pour réduire au mieux l'ampleur du phénomène euh, de la mutilation génitale féminine au Niger le, le conseil, c'est vraiment euh, à l'endroit de l'État. Il faut que l'État s'investisse, c'est-à-dire avoir euh, un programme national de lutte contre les, mutilations génitales féminines. On est à 2%. Donc, il faut que le Niger soit un exemple de pays où on peut éliminer la pratique de, mutilations génitales féminines. On est à 2%, on peut arriver à la tolérance zéro. Il faut que le Niger soit un modèle. Et là, si l'État s'investisse, il a son programme d'action, le euh, programme national, le programme d'action national. Les partenaires vont facilement le financer mhm. et que à travers les ONG nous allons travailler et arriver facilement à la tolérance zéro. Euh, vous avez quelque chose à ajouter euh, Par rapport à la tolérance zéro, le comité nigérien sur les pratiques traditionnelles euh, devrait euh, regrouper d'autres parties prenantes, c'est-à-dire les, ONG, les acteurs de lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc, ce comité doit être ouvert à plusieurs ONG pour avoir quand même gain de cause. Et nous savons aujourd'hui que la petite fille est un outil important pour les droits de l'homme. C'est une future mère. Et si nous négligeons déjà toute violence à l'endroit de ces petites filles, telles que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés, la non-scolarisation de la jeune fille. Vous voyez ce que ça crée comme problème. Or, c'est plusieurs acteurs qui travaillent dans ce domaine qui doivent conjuguer leurs efforts et, pouvoir vraiment euh, relever les défis. Relever les défis les mutilations génitales féminines n'ont aucun avantage pour la santé. Au contraire, ces pratiques entraînent le plus souvent des complications et sont extrêmement dangereuses pour les femmes euh, qui les subissent. Au-delà de ces complications immédiates, il existe des conséquences à long terme comme les infections de la vessie, et des kystes, la stérilité euh, dont vous avez fait cas, Madame Traoré Salamotou, et des complications lors de l'accouchement ou encore une diminution du plaisir euh, sexuel. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalango. Nous avons eu le plaisir de recevoir Amadou Moumouni Soumaïla, chargé des programmes euh, du comité nigérien sur les pratiques traditionnelles Koniprata et Madame Traoré Salamatou, sage-femme, membre de l'association nigérienne des sages-femmes et présidente de l'ONG Dimol. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme de Studio Kalango qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.